le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est à Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 FM. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans une vingtaine de départements du Niger notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 30 novembre depuis 4 ans, nous ferons dans ce forum l'état des lieux de la liberté de la presse au Niger. Dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde, le Niger a occupé de 2012 à 2017 successivement les rangs. En 2012, le Niger était 29e, un exploit. L'année d'après, il dégringole à la 43e place, par la faute des journalistes nigériens selon RSF. Puis en 2014, le Niger perd trois places pour se classer au 48e rang sur 180 euh, pays. En 2015, le Niger gagne une place et reprend sa chute en 2016 en occupant la 52e place et enfin cette année, le Niger est 61e. Cependant, la place du Niger est loin d'être déshonorante si l'on consulte scrupuleusement le classement portant sur 138 pays. Au Niger, les autorités affirment avoir posé plusieurs actes visant à rendre plus concret l'exercice de la liberté de la presse au Niger il y a d'abord le 30 novembre 2011, date anniversaire de la signature par le président de la République de la déclaration de la montagne de la table, un document qui milite en faveur de l'abolition des lois pénales sur les délits de diffamation et d'injures publique. Ensuite, l'institution de la Journée nationale de la liberté de la presse perçue par les autorités comme une preuve de leur engagement en faveur d'une presse plus libre et plus indépendante. Mieux, selon elle, à cette date, aucun journaliste n'est en prison à cause de ses écrits. Cependant, certains acteurs des médias et ou de la société civile ont une autre lecture bien différente de la liberté de la presse au Niger, pour eux, elle se caractérise par les violations répétées de la liberté de la presse et diverses sortes d'intimidations à l'encontre des journalistes très critiques vis-à-vis du régime. Une situation qui se matérialise par des agressions physiques, des menaces, confiscation du matériel de reportage, des interpellations et poursuites qualifiées de fallacieuses par les défenseurs de cette liberté. Ce débat doit permettre de dresser la situation réelle de l'exercice de la liberté de la presse au Niger. Nos invités pour discuter, Ali Ousseini santelma vice-président du Conseil supérieur de la communication. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le deuxième invité, Adouada, vice-président du Conseil de la Maison de la Presse. Monsieur Adouada, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être l'invité du Forum du Studio Kalangou. Merci de votre invitation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce forum du studio Kalangou. Monsieur le vice-président du Conseil supérieur de la communication, quel effet a été produit dans l'exercice de la liberté de presse au Niger la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président Issoufou. Alors je tiens d'abord à remercier le studio Kalangou qui nous permet d'avoir cette plateforme d'échange et qui nous permettra de faire l'état des lieux, de voir en quoi nous avons évolué et de voir les points forts et de voir les points faibles et comment corriger l'avancée vers l'exercice de la liberté de presse dans le métier de journaliste. Alors, l'avantage que nous, nous avons eu ici au Niger, c'est qu'au sortir de la conférence nationale de 1991, le paysage audiovisuel a été libéralisé. C'est-à-dire l'État a perdu le monopole de la radio, de la télévision publique et des deux journaux, le Sahel et le Sahel Dimanche. Donc le paysage a été très ouvert. C'est-à-dire le privé s'est introduit, ce qui engage de pluralisme, d'équilibre et de démocratie. Ça, ça a été l'ancrage très fort au sortir de la conférence nationale euh, décroché par ce qu'on avait appelé en son temps les forces vives de la nation. Donc il y a eu un premier basculement à partir de 91. Puis, il faut le reconnaître, il y a eu les états généraux de la presse en 93, mm. ce qui a permis de libéraliser du point de vue des textes l'espace audiovisuel, d'où la fameuse ordonnance de 93 euh, sur la communication audiovisuelle. Et déjà à l'époque, nous étions parmi les rares pays en Afrique, euh, aussi bien anglophones que francophones, à avoir libéralisé euh, l'espace et les ondes et la télévision. Puis est arrivée la dépénalisation. En 2010, on a bénéficié de la dépénalisation des délits commis par voie de presse, ce qui constitue aussi une avancée significative. Et un an plus tard, le président de la République a signé, comme vous l'avez bien souligné, l'acte fort euh, sur de la montagne de la table. Donc l'acte qui vient consolider euh, l'armature et, le statut de liberté conféré au paysage audiovisuel nigérien. Donc voilà planter le décor euh, dans lequel les journalistes, les médias évolue au Niger. D'accord. Et maintenant, je disais tantôt, est-ce que la signature de cette euh, déclaration, elle a produit un effet sur justement l'exercice de la liberté de la presse ah, Absolument. Le seul fait que le premier magistrat du pays, en l'occurrence celui que le peuple souverain a porté euh, au pouvoir, accepte de protéger davantage la liberté de la presse, qui est déjà un droit contenu dans la Constitution. C'est effectivement une avancée pour notre pays. D'accord. Monsieur Adouada, au niveau de la maison de la presse, effectivement, est-ce que vous avez aussi observé l'effet qu'a produit la signature de cette déclaration euh, Oui, ça a apporté un effet positif par rapport au comportement de nos confrères, des journalistes, dans le traitement des informations. C'est vrai, depuis l'avènement de la conférence nationale avec euh, le pluralisme, la presse privée qui est venue, bon, les gens ont pris de l'indépendance par rapport euh, à, la presse. Il y a eu encore euh, cette signature de la montagne de la table par le président de la République. Et il fait partie de l'un des premiers présidents qui ont signé cette montagne de la table, cette déclaration. Il a signé ça le 30 novembre. Nous, nous avons souhaité, nous avons obtenu que cette journée-là soit mémorisée et on l'a érigée en fait euh, la journée nationale de la liberté de la presse au niveau de notre pays. Présentement, nous sommes en train de la préparer. Vraiment, c'est un signe très significatif que nous avons beaucoup approuvé et apprécié dans euh, sa juste valeur. L'effet est-il beaucoup plus positif que négatif euh, L'effet est positif je ne sais pas comment. Je veux dire, dans la pratique euh, de, l'exercice, est-ce que les gens n'abusent pas oui, certes, il y a des abus. On ne peut pas manquer des abus. C'est que bon, dans le traitement de l'information, tout à l'heure, vous avez fait un bilan par rapport au classement de, de, notre pays, par rapport à la liberté de la presse. Ça nous honore pas, nous tous parce que vraiment on était très bien parti, mais de par le comportement de certains journalistes, on a dégringolé. Aujourd'hui, nous sommes à la 61e place, alors qu'il a un moment où on était 29e. Euh, certes, c'est un bon classement par rapport au nombre de pays qui ont 135 euh, pays, mais nous, vraiment, nous voulons que, vraiment, de ne pas reculer, au moins qu'on reste dans le cap de 20, euh, 30 pays qui sont, qui respectent vraiment la liberté de la presse. D'accord le Conseil supérieur de la communication, le classement 2017 de Reporters sans frontières, je le disais, sur la liberté de la presse dans le monde, a mis en exergue un recul du Niger de la 52e place en 2016 à la 61e pour le titre de l'année en cours. Est-ce que ce classement reflète la réalité du Niger tenant compte de notre rang de 21e 5 ans avant alors, euh, c'est un classement qu'une ONG internationale que vous avez bien spécifié, qui s'appelle Reporters sans frontières, établie euh, établi chaque année. Euh, et vous avez bien décliné les différentes places que notre pays a eu à occuper. Euh, voilà. Donc, elle a établi son classement sur la base d'un certain nombre de critères qu'elle retient et qui lui permettent de dire euh, où il y a eu une évolution, où il y a eu une régression. Et vous-même, vous, l'avez souligné dans votre mot introductif, malgré que nous soyons à la 61e place sur 189 pays euh, classés, on a certes reculé, mais euh, ce n'est pas, on n'est pas dans le lot de queue. Donc, ça veut dire que le Niger peut être considéré toujours comme un pays où la liberté de presse, où l'exercice du métier de journaliste est encore frappé de liberté. D'accord. Ado, ce classement reflète-t-il la réalité au Niger Oui, je vous ai dit ce classement. Même, euh, je vais profiter même de l'occasion pour vous dire qu'à l'occasion de cette fête de la liberté de la presse, nous avons invité euh, le, euh, sans frontières. Toujours, c'est pour euh, qu'ensemble qu'on évoque leur façon de faire le classement par rapport à la liberté de la presse. Et Inch'Allah, le 30 novembre, il sera là, il va donner une conférence au niveau de la maison de la presse pour qu'il nous évoque un peu comment ils font leur classement. C'est un classement que nous, on s'attendait que vraiment, nous, nous sommes aujourd'hui, cette année, il y a un peu pensait Pensez pas que on allait regresser là-bas. Nous, on pensait vers vraiment progresser. Voilà. de par vos constats, les écrits des journalistes, euh, les reportages télévisés, radio. Est-ce que la liberté de la presse, elle est réelle au Niger oui, la liberté de la presse, elle est réelle au Niger. Moi, je ne sais pas comment tu veux interpréter ça, si cette liberté de la presse là au Niger, elle est réelle. Mais pour notre côté, il y a la liberté de la presse parce qu'on n'a aucun journaliste aujourd'hui en prison de par ses écrits on a eu beaucoup des avancées par rapport à, la loi 035 de, de 2010 sur la liberté de euh, sur euh, la dépénalisation. Cette loi, on l'a beaucoup travaillé, euh, travaillée, on l'a un peu amendée par rapport à certains aspects de cette loi. Aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau de cette loi de dépénalisation, c'est tout juste par rapport à la garde à vue. La garde à vue, nous, avons dit, nous avons considéré ça que ça aussi c'est une privatisation de, de, liberté. Quand le journaliste commet ses fautes, bon, on n'a pas à le garder pendant 48 heures, euh, ou 72 heures au niveau de la police. Il y aura d'autres procédures qui vont suivre pour que le journaliste ne corrige pas au niveau de, de, la police, de la police. Mais néanmoins, nous, savons que cette loi, il y a beaucoup des, entraves là-dedans. On a eu à la corriger, on l'a soumis aux, décideurs pour qu'ils reviennent sur cette loi par rapport à, l'aspect que je viens de t'évoquer. Cette loi aussi ne nous permet pas de, faire du n'importe quoi parce qu'on est dépénalisé. Ça aussi, nous faisons des formations et des journalistes pour attirer leur attention pour qu'ils prennent conscience de l'enjeu, de l'importance de cette loi, pour qu'ils comprennent l'enjeu, l'importance de, notre métier. C'est un métier qui est vraiment très eh, important. Il ne faut pas que les gens les bazardent ou bien le mettent euh, à nu à n'importe quel moment. Nous faisons beaucoup de notre mieux pour que les journalistes prennent leurs responsabilités à main, travaillent avec l'éthique et aux normes de l'éthique et de la déontologie de, notre profession. D'accord. Monsieur Ousseini, d'aucuns pensent qu'il y a trop de liberté pour les journalistes au Niger. Vous qui êtes de l'organe de régulation, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, alors, comme le disait tout à l'heure le représentant de la maison de la presse, en l'occurrence le <laughs> vice-président, euh, l'ordonnance de, de, 2010 qui dépénalise les délits de, de, presse dit très clairement dans une de ses dispositions qu'en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt ni mandat d'arrêt c'est l'un des rares métiers qui vous met à l'abri des poursuites. Comme il l'a souligné, donc conséquemment, nous aurions dû être beaucoup plus responsables parce que vous êtes convaincu que de par votre métier, vous ne pourriez pas être jeté en prison. Mais le fait de ne pas aller en prison ne vous donne aucun droit de tout dire, de tout écrire et de vilipender qui vous voulez. Donc normalement, le pendant de la liberté aurait dû être la responsabilité. Alors maintenant, pour rebondir à la question, à la question. Euh, quelle était votre question Je disais que d'aucuns estiment que les journalistes ont trop de liberté. Oui, <laughs> Ayouba vous n'étiez pas journaliste, j'allais m'étendre, mais vous-même, vous êtes conscient que vous avez beaucoup de liberté dans, dans l'exercice de ce métier au Niger. Quand moi j'ai commencé ce métier, il y a 30 ans, en 1987, et 30 ans après, avec le recul, euh, peut-être que vous n'étiez pas né ou que vous étiez encore jeune, mais je me rends compte que on a quitté la préhistoire pour venir, <laughs> absolument pour venir dans euh, le monde moderne. Il y a la liberté, ce qui est une très bonne chose. Il y a beaucoup de liberté, ce qui est une très bonne chose pour la démocratie nigérienne. Mais comme je l'ai tout à l'heure souligné, le fait d'avoir beaucoup de liberté aurait dû conforter nos, organes de presse, aurait dû comporter nos confrères à être beaucoup plus responsables. Parce que le, rôle de la presse, c'est de donner les faits, des faits vérifiés. Le rôle de la presse, c'est de dénoncer. Mais vous dénoncez sur la base des faits. Mais le fait de dénoncer, le fait de révéler euh, des scandales, ne vous donne pas le droit de ne pas respecter la vie privée. Alors ici, euh, le fait d'aller en prison aurait dû vous discréditer, parce que euh, un journaliste qui passe tout son temps à se retrouver en prison, ben, il doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Un bon journaliste doit éviter de poser des actes pour lesquels il peut être poursuivi. C'est déjà ça un bon professionnel. Alors ici, on a l'impression que les gens jouent aux oraux, vous voyez, dans les films mhm. Western. Donc, celui qui brave euh, les règlements, celui qui brave la réglementation, ce n'est pas ça le journalisme. Le journalisme est d'abord un métier qui a un code d'éthique, qui a un code de déontologie, euh, et nous nous sommes donné notre charte professionnelle, nous les journalistes nigériens. Charte que la profession a confiée, euh, dont la garde est assurée par le Conseil supérieur de la communication en tant que régulateur. Donc notre charte, nous devons nous-mêmes la promouvoir et la respecter. Alors ici, être journaliste, c'est faire ce qu'on veut, écrire ce qu'on ce qu'on entend, c'est diffuser de la rumeur, c'est euh, violer le secret d'instruction, toutes choses proscrites et interdites. Alors vous voyez, les grands professionnels évitent euh, de marcher dans les plates-bandes de ce qui est empêché, de ce qui est proscrit et de ce qui est interdit. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans l'exercice du métier et dans notre pays. D'accord. Alors, de par votre expérience, euh, quand il y a entrave à l'exercice de la liberté de la presse au Niger, généralement, qui sont les acteurs Alors, les acteurs, c'est d'abord les journalistes, parce que c'est vous qui nous interrogez aujourd'hui dans ce studio, c'est vous qui nous posez la question. Et de par la loi, si nous faisons du direct, lorsque nous, nous sommes en train de d'aller dans le décor, normalement c'est à vous journalistes, c'est de votre responsabilité de cadrer le débat et de nous ramener sur le droit chemin. Hmm. N'est-ce pas euh, Si c'est euh, ça votre rôle à vous. Donc, les premiers acteurs, c'est les journalistes. Les journalistes doivent faire en sorte que l'éthique et la déontologie et la déontologie soient respectées. Et le respect de l'éthique de la déontologie vous met à l'abri de toutes les dérives. Donc, il y a d'abord les journalistes. Mais un journaliste, il est coiffé par son rédacteur en chef, par son directeur de rédaction, par le directeur de l'organe. Si vous faites du direct, c'est d'abord vous, le journaliste, qui commettez la faute. Mais votre directeur de publication qui assume la, la responsabilité, lui, il est complice. C'est-à-dire, c'est on est toujours dans la chaîne des acteurs, des journalistes. Mais il y a les médias. Certains médias, normalement, ils se sont donnés euh, une ligne éditoriale. Donc, ils doivent, ils doivent s'obliger à respecter leur ligne éditoriale. Là, nous sommes aujourd'hui au studio Kalangu. Je sais que le studio Kalangu ne fait pas ce qu'il veut, parce que vous avez une ligne éditoriale dans laquelle euh, c'est comme le train, vous posez le rail, il doit être obligé euh, ne dira pas non, moi ça ne m'intéresse plus, je vais aller à gauche mm. au lieu d'aller à droite ou au lieu d'aller tout droit. Donc, vous avez les organes de presse qui interviennent. Et nous constatons malheureusement les organes de presse, surtout du privé, puisque les organes de presse publics, ils sont encadrés, puisque c'est l'État. Alors, dans le privé, euh, les organes de presse et les journalistes qui y travaillent peut-être parce qu'ils sont mal formés, peut-être parce qu'ils sont mal payés, euh, ils commettent beaucoup plus de dérives que les organes de presse publique. Mais cela ne dédouane pas la presse pour autant publique, parce qu'elle a la chance d'être la, première. Le privé est venu, euh, et souvent même, c'est les journalistes du public qui, animent ou qui ont... Euh, essaimé la, presse privée. Euh, le privé, il a cette faiblesse de rier dans les brancards et de se laisser aller vers les dérives. Mais il faut reconnaître que la presse privée au Niger euh, a fait un travail extrêmement important de consolidation de la démocratie, de protection de la démocratie et d'accompagnement de la démocratie. Donc il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Ce n'est pas toute la presse privée mmh. euh, qui commet les dérives le politique euh, n'a aucune main dans cette question d'entrave Ah, Ayouba Kaka, vous êtes un professionnel. Alors, si l'État a ses propres organes, je l'ai dit, mais l'État, de par ses organes, euh, les organes de l'État font la promotion de l'État, ce qui est juste. Ils informent, ils sensibilisent euh, et ils rendent compte de ce que l'État est en train de faire pour le bien commun, pour l'intérêt général et pour ceux qui ont été élus par euh, par le même peuple. Mm. Maintenant, du côté du privé, c'est vous avez dans le privé des organes qui aussi font la promotion de ceux qui ont investi leur argent pour que ça leur rapporte. Euh, soyons très clairs, il n'y a pas de philanthropie. Moi, je ne crois pas à la philanthropie. Si un média privé existe, c'est qu'il vise un objectif. Alors, l'objectif qu'il est visé, euh, la loi le lui permet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe. Mais il doit le faire en conformité avec la réglementation Monsieur Ado, quelles sont les conditions pour une bonne liberté de la presse Ils sont-elles réunies au Niger actuellement Pour des bonnes conditions de la liberté de la presse, c'est c'est un lourd pardon que tu veux que je prenne ou bien que je te dépose toi-même en tant que journaliste. <laughs> Aujourd'hui, si je prends même ton cas, on sait dans quelles conditions certains journalistes exercent cette liberté de la presse. Nous, notre combat au niveau de la maison de la presse, c'est pour mettre les gens dans de meilleures conditions de travail. Nous pensons qu'avec ces meilleures conditions de travail, que les gens voient ici de faire ce dérapage un salaire décent, de bonnes conditions pour aller au service, pour aller faire des reportages, un reportage sans qu'il y ait du, marchandage, si je peux l'appeler comme ça. Si aujourd'hui les journalistes, certains le font, c'est vraiment par rapport à leur situation précaire d'existence. Certains n'ont même pas de salaire fixe, certains le salaire est dérisoire. Comme ça, on ne peut pas bien travailler. On se met à la portée de n'importe quel marchandage. Mais aujourd'hui, notre lutte, c'est on est en train de tout faire pour qu'on signe au moins la convention collective, mettre les agents du privé dans les bonnes conditions de travail. cest que j'ai mon salaire de décent, j'ai mon salaire qui peut me suffire, j'ai mon salaire pour aller aux... J'ai ma conscience tranquille, donc là, je peux rester faire mon travail. Mais certains, on nous taxe aujourd'hui, les journalistes, on les paye pour insulter celui-là, celui-là. Quand l'affaire s'éclate quand ça va au niveau des tribunaux. Le journaliste, c'est lui qu'on voit. C'est d'abord sa réputation, la réputation de son organe ah qui insulte. Non, nous, nous voulons mettre ces gens à l'abri. Il y a aussi par rapport à aux organes même de presse. Même les organes de presse, certains aussi, il y a beaucoup qui, qui végètent aussi de la précarité. Nous, voulons poser des conditions, des bonnes conditions par rapport à l'existence même, à la création des organes de presse. Le journaliste, notre professeur, nous voulons la protéger. La protéger, c'est-à-dire il y a des critères pour adhérer, pour être journaliste. Eh? mais aujourd'hui, si on prend les critères d'avant, tu viens comme euh, bon te semble, tu prends ton papier, tu dis ah je suis journaliste tu vas au reportage sans connaître les habits du, journalisme. Mais nous pensons qu'avec euh, la convention collective, on va tracer les critères qui sont là de la création, de, de l'exercice même de l'organe, de comment prendre un journaliste, de l'engagement d'un journaliste, de comment il faut le payer. Mais la convention collective, est-ce qu'elle n'est pas classée dans les tiroirs Non, non, non, elle n'est pas classée dans les tiroirs. Nous, on a toujours ce souci-là voulons que le Niger progresse dans le classement du eh, reporter sans frontières. Il y ait une presse libre indépendante, que les journalistes exercent dans l'inquiétude leurs fonctions. C'est ça notre objectif au niveau de la maison de la presse. Est-ce que les promoteurs sont partants pour cette convention Les promoteurs, bon, il y a aussi un truc qui va arranger ça. Ça fait partie du, préalable des promoteurs. Euh, la loi sur la, publicité. La, loi sur la publicité, elle est là. On a mis un comité qui va réfléchir par rapport à, l'encadrement de cette loi-là. Nous, nous pensons, que cette loi va apporter beaucoup de choses quand on réglemente euh, la publicité au niveau des médias. Nous pensons que ça va faire un plus au niveau de ces organes qui vont vraiment bien prendre en charge leur euh, agent. D'accord les conditions d'une bonne liberté de la presse, Ado disait tantôt les conditions de vie et du travail des, journalistes. Monsieur le vice-président, à cela, qu'est-ce que vous pouvez ajouter Alors, ce que je tiens à souligner, euh, du point de vue des textes, nous avons un environnement de textes qui nous permet de travailler dans la quiétude et la sérénité. Maintenant, et j'insiste là-dessus, il nous faut de véritables entreprises de presse. Ce qui semble manquer dans le paysage du Niger. Ah C'est-à-dire, ceux qui travaillent dans le public sont régulièrement salariés, ils sont payés. Mais ceux qui travaillent dans le privé, ils sont mal payés, sous-payés, sous-exploités, ils sont à la merci euh, des patrons de presse. Ah Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et pour avoir été directeur de lifting, j'ai rencontré un jour un de mes anciens étudiants. Il me dit, mais monsieur le directeur, moi je suis payé par des journaux. Quand son directeur de publication, il travaille dans un journal privé, tire une édition de ses journaux, il lui donne un certain nombre, il dit, tiens, ça c'est ton salaire. Donc, il faut véritablement qu'il y ait la convention collective, qu'elle soit mise en œuvre. Et la convention collective, c'est elle qui fixe les salaires euh, des journalistes. Donc il faut les mettre à l'abri de la précarité et c'est la précarité qui les pousse à la vénalité. Ah, Donc une fois que on aura créé les conditions pour avoir de véritables entreprises de presse qui peuvent générer suffisamment de ressources. Ceci peut impacter sur les conditions et de liberté et de travail. Ah, Donc, il faut créer euh, la valeur ajoutée au niveau des entreprises de presse pour que ceux qui y travaillent tirent le meilleur profit et qu'ils soient à l'abri de la vénalité et de la précarité. Maintenant, une fois qu'on est sûr que tous ceux qui travaillent dans les médias ne sont ni des genjaouides, ni des <laughs> alimentaires, euh, ils sont salariés, ils sont bien payés, en ce moment, les médias publics et privés auront besoin de la manne publicitaire. Parce que dans tous les pays du monde, c'est la publicité qui fait vivre les médias. Donc, une fois que le problème de salaire contenu dans la convention collective est réglé, il faut maintenant regarder du côté de la manne publicitaire. Il faut que la publicité, et Dieu seul sait qu'il y en a, que la publicité puisse financer les médias une fois qu'un média est bien financé par la publicité, il peut décemment payer ses employés et il peut faire face à ses charges fixes. Donc, en ce moment, nous aurons des entreprises de presse fiables, euh, viables, et qui peuvent aider les journalistes à faire correctement le travail. Donc, vous voyez, à mon avis, la question de la liberté de la presse, c'est vraiment la préhistoire. On l'a dépassé. Ah on est libre, euh, on ne va plus en prison. Maintenant, créons les conditions économiques, battons-nous pour qu'il y ait l'indépendance économique des médias. D'accord. Et le jour où tous les médias seront de véritables entreprises de presse, elles engrangeront de la bonne publicité, en ce moment, les journalistes vont être à l'abri de toutes ces dérives et la vénalité et la précarité. Maintenant, pour les journaux audiovisuels, radio-télé, ils peuvent émettre bien sûr lorsque la production euh, est conçue. Maintenant, pour la presse écrite, il nous faut trouver un mécanisme pour distribuer la presse écrite, parce que c'est quand même ça le produit. ailleurs, ils ont des messageries de la presse que vous soyez du privé, du public, vous vous mettez en coopérative et vous ventilez votre production. C'est cette production, une fois vendue, qui vous génère des ressources et qui permet à l'entreprise aussi de faire face à ses charges. Donc, il nous faut, après la convention collective, après avoir consolidé la, la publicité, il nous faut trouver un mécanisme par lequel on distribuerait la presse, euh, la presse papier. Consommer en un mot euh, le, le Voilà le produit. Et en ce moment, la boucle est bouclée euh, du point de vue, du point de vue du, des textes. Nous sommes libres. Du point de vue commercial, Ado ne dira pas le contraire. Nous générons de ressources et les dérives vont s'estomper d'elles-mêmes. Rassurez-vous. Lorsque Ayouba Kaka est payé, il sait qu'il peut faire face à ses charges fixes, mais il va se concentrer sur son travail, euh, il ne fera que ça, il va avoir à l'esprit et la charte et le respect du code de conduite, de déontologie et d'éthique. Et le travail se fera bien et personne ne s'en plaindra. D'accord. Ado parlait tantôt de la convention collective. Au niveau du C.S.C. est-ce que vous avez des informations sur cette convention Alors, de cette convention collective, des informations, nous en avons, c'est évident. Euh, comme disent les juristes, une convention, c'est une entente entre une ou deux parties. Donc là, c'est une entente entre les employeurs, qu'on appelle ici les promoteurs, et les employés, donc les journalistes. L'État, il sert d'arbitre. L'État est au milieu l'État permet aux promoteurs, donc aux employeurs, de ne pas gruger les employés et les employés se sentent protégés. Donc, de ce point de vue, il y a un avant-projet de convention collective qui a fini de faire le tour et qui attend et il faut qu'il soit concrétisé pour que les deux parties en question, les employés et les employeurs, acceptent sa mise en œuvre. Donc, il faut franchir ce seuil, mettre en œuvre la convention collective. Au Sénégal, il y a longtemps, ils en ont oublié. Si vous êtes rédacteur dans le journal Le Soleil, euh, qui est un organe public, à Walfajri, qui est une radio privée, vous avez le même salaire. Si vous êtes rédacteur en chef dans, un, dans une télévision privée et rédacteur en chef à RTS, qui est la télévision publique, vous avez le même salaire. Ils ont réglé la question. Donc il n'y a pas de raison que nous, nous ne puissions pas faire le bon pour mettre en œuvre la convention collective. Qu'est-ce qui tarde à faire ce bon-là ah, Si vous ne venez pas du privé et si vous ne venez pas euh, d'un employeur privé, j'allais être plus, euh, plus prolixe. Vous, vous connaissez mieux que moi ce qui tarde, à Yuba parce que moi, je n'ai pas eu la chance encore de travailler dans le privé. Dans le privé, bien sûr. Vous avez connu les affres du privé. Oui. Alors moi, je vous laisse le souhait, vous qui me demandez de répondre et d'amener les éléments de réponse. Mais pour être sérieux, les, les promoteurs doivent comprendre qu'il y va de leur intérêt que la convention collective puisse voir le jour et qu'elle puisse être mise en œuvre. Parce que de la qualité du travail de, de leurs organes dépendra aussi le, la prospérité de l'entreprise. Il faut qu'ils comprennent. Alors, si on refuse de comprendre, c'est qu'on serait dans le Moyen Âge où le promoteur pense que le fondateur viendrait renforcer son, son confort personnel, ou euh, le journaliste, c'est le métaillé, il va aller se saigner pour venir l'engraisser. Non, il faut qu'on sorte de ce cycle vicieux. C'est certes son employé, mais c'est pour faire la promotion et pour faire euh, une entreprise de presse qui peut rapporter de l'argent d'abord pour l'employeur. Parce que si l'entreprise est riche, c'est d'abord l'employeur qui va tirer les marrons du feu. il faut qu'il le comprenne. Donc, pour la convention collective, c'est l'intérêt de tout le monde. Et l'État doit accompagner ce mouvement. Donc, il faut bien que les deux parties s'entendent, mais que l'État puisse donner euh, l'accompagnement nécessaire pour que la convention collective là, puisse vraiment être mise en place. D'accord. Cela fait quatre ans que le Niger célèbre une journée nationale de la liberté de la presse. L'initiative est louable, mais est-ce qu'elle répond à l'idéal voulu, celui d'être l'occasion de poser le débat sur les préoccupations des médias entre les acteurs et les autorités afin d'améliorer les relations et faire avancer le métier Monsieur Adou Oui, et la fête du 30 novembre pour les journalistes, euh, la journée de la liberté de presse nous donne euh, l'occasion de faire un bilan critique de la situation de euh, la liberté de presse au Niger, du comportement de, nos camarades journalistes et aussi du comportement de la société civile, de la société en général, de l'État, de tout le monde, faire un bilan rétrospectif de la liberté de la presse, voir l'évolution de cette liberté-là, voir le comportement de certains camarades et puis faire un briefing, corriger et puis euh, aller en avant. Cette année, nous sommes en train de préparer cette fête comme euh, c'est l'occasion que tu me donnes pour euh, dire, dans des conditions vraiment difficiles. La situation économique est difficile. Nous sommes là en train de préparer la, la fête nous avons mis en place trois comités. Un comité d'organisation, un comité de sensibilisation et un comité jury. le comité jury, on a initié cette année deux concours. Il y a le concours sur le, journaliste d'investigation. Et ça, c'est toute catégorie confondue qui sera primée, premier, deuxième, troisième. Il y a aussi l'autre catégorie, euh, catégorie radio, catégorie télé, catégorie presse écrite, qui concerne l'extrémisme violent. Vous savez, aujourd'hui, l'extrémisme violent, c'est ça qui diffère la chronique dans tout le monde hmm. entier. Tout journaliste qui a fait une œuvre par rapport à ce thème-là, il peut déposer son œuvre et puis il y a un jury qui va juger le premier, Ouais, on va donner des prix. Et il y a aussi un panel que nous allons présenter tout juste par rapport à la responsabilité des journalistes pour attirer l'attention des journalistes par rapport à leur comportement, qu'ils soient responsables dans le traitement des informations. Et ce que nous, nous avons déploré au niveau de la maison de la presse, cette journée-là, c'est pour les journalistes. Malheureusement, tu vois, on va, dès qu'on ouvre la séance, euh, au niveau du panel, là où on veut s'entretenir, échanger avec les journalistes, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui Ils ne s'impliquent pas. Moi, moi, je lance un appel pour que qu'ils comprennent que cette fête-là, c'est la nôtre, c'est pour nous. On a, nous, au niveau de la maison de la presse, nous avons demandé qu'on organise cette fête-là. On a repris l'organisation de cette fête au niveau du ministère. C'est pour que les, surtout les journalistes soient intégrés, soient concernés dans cette, dans cette fête c'est l'appel que je lance. Il faut que les gens comprennent qu'ils viennent et, par rapport à ça. Il y a aussi des stands qu'on va ériger hmm. pour qu'on expose et les différents. Euh, euh, chaque organe vient exposer ses produits. Je veux parler comme ça. Et cette année aussi, par rapport au, à l'activité, à la fête, tout, à l'heure, j'ai dit qu'on a un invité de, médecin, euh, de rapporteur euh, sans, frontières, ah qui va venir, qu'on va l'interroger, qui va nous donner des éclaircissements par rapport à ce à comment ils procèdent, comment, euh, par rapport au classement des, pays par rapport à la liberté de presse. Euh, c'est l'appel que je lance par rapport à la fête du 30 novembre. D'accord. Monsieur le vice-président, cette journée du 30 novembre, comment est-ce que les journalistes et les organisations socioprofessionnelles des médias doivent mettre à profit cette journée pour faire avancer ce, métier noble Ce métier qui est noble pour lequel euh, ils existent, euh, en principe, ils doivent le faire selon les règles de l'éthique et de la déontologie. Ce n'est pas trop demander, c'est ne faire que le métier comme il se doit. Mais malheureusement, ici, les journalistes, forts du fait qu'ils ne peuvent plus aller en prison, alors ils se livrent à leur jeu favori ici, ils diffament, ils jettent le discrédit, ils traînent la vie privée des citoyens dans la boue, ils diffusent, ils publient des informations non vérifiées, donc non crédibles. Et avec un tel palmarès, vous voyez, le bilan, euh, il est sombre de l'exercice de la liberté de presse. Et beaucoup de voix s'élèvent, écoutez bien, euh, ils demandent au législateur de revenir sur certaines dispositions de cette loi. Parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien de laisser des journalistes pas responsables traîner la vie privée des uns et des autres dans la boue. Donc, ils se disent, si nous ne sommes pas suffisamment responsables, pour gérer notre liberté, que la Constitution nous confère, que la loi nous consolide, donc qu'on nous retire cette liberté et qu'on revienne à la position d'avant, là où, euh, en, cas de, dérive, qu'on soit mis en prison. Mais est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que le CC est en train de sanctionner Alors, le CC, c'est l'institution de régulation du contenu des médias. Et le CSC, lorsqu'il est saisi ou lorsqu'il s'auto-saisit, euh, il y a toute une procédure qui est malheureusement longue. La procédure la plus courte prend trois mois. Lorsqu'un journal pose un acte de lecture suite à une saisine ou à une autosaisine, euh, nous mettons trois mois pour délibérer. Donc, vous voyez, on dit que l'information est une denrée périssable. Lorsque le mal est commis, euh, on aurait dû sanctionner ici et maintenant. L'effet pourrait être plus bénéfique. Mais le législateur a conçu les textes de telle manière, vous voyez, il a été très souple et il faut mettre trois mois. Les gens ont même oublié le forfait. Bon. De ce point de vue, il nous arrive de sanctionner. Euh, mais même là, euh, le législateur fait en sorte qu'on ne peut pas sanctionner avant de mettre en demeure. Si Studio Kalangu pose un acte répréhensible, le CSC, quelle que soit l'urgence de la question, de par la loi, lui décerne d'abord une mise en demeure. En demeure oui. C'est lorsqu'il récidive qu'on lui donne une autre sanction. Donc, l'idéal aurait été, dans la mesure où, à la lumière de la pratique, on se rend compte que ça ne milite pas en faveur de l'exercice euh, véritable donc de la liberté, c'est dépoussiérer ces dispositions pour que l'organe de régulation, lorsqu'il estime qu'il y a une dérive, qu'il y a une atteinte grave euh, à l'équilibre social de notre pays, qui peut impacter sur d'autres domaines, puisse pouvoir intervenir on sanctionne. Malheureusement, euh, on n'a fermé qu'un seul organe depuis que nous existons, depuis tout ce temps. c'est un journal euh, qui s'est trouvé en dehors de l'exercice du métier de journaliste. On l'a complètement euh, fermé. Bon, c'est le seul pour l'instant. Ce qui est une bonne chose pour la liberté de la presse et pour l'exercice du métier de journaliste. D'accord. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Euh, sachez que donc euh, tout au long de ces discussions, euh, on a compris que pour une bonne liberté de la presse au Niger, il faut d'abord de véritables entreprises de presse avec des meilleures conditions de vie et de travail des journalistes, en un mot, avoir une indépendance économique, mais également créer des mécanismes de distribution des journaux. Dans ce studio, nous avons eu comme invité M. Ali Ousseinou Santorma. Il est vice-président du Conseil supérieur de la communication et Ado Wada, vice-président du Conseil d'administration de la Maison de la Presse. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir. thank you